Thank you. Très bien, à présent, nous allons parler d'histoire des médias, qui est le paysage médiatique pour le Sénégal, euh, toujours en présence bien sûr de M. Djegan Sen, journaliste, professeur histoire des médias. Del Fateli nekkoon euh, ministre euh, nekk na huitième vice-président de l'Assemblée nationale donc il na xeex yu bëri yoo xamante jot ngir donc ngir réew rek moo ñor bi donc dinañu Andrew, waxtaan ak moom ak ki nga des médias merci beaucoup euh, cher consoeur mhm. alors merci aussi Nicolas merci mes amis. Mhm. Je suis bien entouré aujourd'hui. Euh, mhm. euh, je vous en remercie beaucoup alors dina je vais métti parce que euh, na li ci mais loolu pour euh, nga rendre compte déjà c'est des centaines et des centaines de pages mais dina, jéem touté. résumé voilà. voilà un résumé très difficile mais je vais na rek que journalisme de façon générale euh, nit yi bu ñu juddoo ba sur terre mu ngi fi dafa am façons suivant les civilisations les sociétés parce que les premiers ñu jëk moy ñu daan dafay affiche yoyu des choses comme ça moy mm. euh, xay nak ba ñëw ci ñun amuñu affiche mais amuñu amoon nañ suñu ndënd et cetera yo xamné on pouvait communiquer avec euh, maintenant au Sénégal il a fallu donc pour ça ay milliers d'années avant ñu xam ay journalistes ay ay journaux mm-hmm. d'abord journaux yi jittu journalisme mm-hmm. journaux yi jittu fi la presse mm-hmm parce que nous devons faire erreur très souvent la presse si vous avez un journal c'est la presse non ce n'est pas la presse Un journal c'est un journal. Mm-hmm. la presse il faut moi d'ailleurs, d'abord un journaliste. Mm-hmm. il faut une profession de journaliste suis journaliste il faut un lectorat. Mm-hmm. il est indéterminé et large vous avez une situation vous di au moins un début de presse je na au Sénégal. Lolou, la presse existe les journaux existent depuis 1856 avec Feder. mais à la veille de la guerre Madame 1913 la commençait commencé de am loolu le Sénégal donc presse exemple nañ 1913 le commencé alors bu commencé aussi nous ñu jàpp ne rek euh, presse la les hommes politiques bien qu'ils a am rôle souvent d'ailleurs rôle bu important parce que euh, jusqu'en 1960 c'est suñu indépendance journaux yu gën yu ëpp solo ci journaux yoo xam ne sénégalais yi ko Moi, mooy journaux yi homme politique à côté maintenant journaux privés tels que Paris Dakar pour résumer et aller très vite. Mm-hmm. parce que moi, suis le premier quotidien en même temps d'ailleurs un journal bu ëpp salon depuis l'histoire jusqu'en 1970 donc euh, homme politique c'est ça ou alors les occidentaux nous xam des nañu ay moyens financiers wala amoon nañu euh, des des des soutiens. Mm. Euh, qui sont dans les affaires. Nous mm. euh, rek que un créer journaux. d'accord xam nga pendant un siècle journaux la ñuy wax kenn waxul radio. Mm-hmm. parce que radio, c'est très récent C'est la rek. audiovisuel mm. bi mooy rajo télévision. très bien mm-hmm. radio bi c'est déjà en 39 à la veille de la guerre. 39. voilà la télé c'est récent. Mm-hmm. Nous avons waru leen a 1913 1972 1973. avec l'ORTS bon moi loo xam à partir des années 90 92, 93 d'accord hmm. Sud Agnion Walfadiri Walfadjri FM hmm. des choses comme ça. Hmm. Dakar FM aussi. parce que la RTS à l'époque elle était obligée de refermer un peu Cette nan lay pour concurrence boobu mu man ko coups. n'est-ce pas concurrence privée et RFI aussi tu le parce qu'on a libéralisé les zones donc paysage commence à éclater D'accord. télévision oui oui non je vais très vite oui, Kafar libéré, avant ça, il y avait le. Euh, euh, vous savez, il y avait Mamles Vous comprenez, c'est le premier journal satirique. Euh, ici, et avant Mamlesdia, en 1948, vous avez les échos d'Afrique noire, etc. Donc, c'est pour aller très vite. Ah. Mais le politicien pour Mamles ça c'est central. Ah. N'est-ce pas mm. Qui est créé en janvier 1977. Mm. Donc, c'est vraiment très, très important, tout ça. Mais en même temps, nous amul logique génération spontanée lo gis rek dafa am jaar-jaar dafa am fu muy jaar avant mu egsi d'accord voilà mais en plus l'organisation du métier aussi c'est très jeune hein hmm? il y a notre ah, âge xam tu vois etc donc euh, pour résumer la presse d'abord c'est un long cheminement qui est le fait de l'administration coloniale parce que nous, yu njëkk administration coloniale m'a créé, surtout FEDER, euh, moniteur du Sénégal et dépendance. Ensuite, pendant 20-30 ans, administration. Mhm. Jusqu'en 1885, les journaux privés sont soog a commencé Sénégal. Mhm. voilà un peu en arrière. voilà professeur vous avez wax que euh, na mm-hmm. dégg nañ une organisation, say mm-hmm. organisation. un euh, organisation traitement de l'information des guerres génn ci alors vous avez dit que vous am un regard bi nga euh, traitement de l'information par rapport à la presse publique la presse privée. oui alors tout de suite je vais vous surprendre et d'ailleurs, ça en fait beaucoup d'ennemis, mais je vais vous dire. <laughs> que le, euh, généralement, la presse publique, du point de vue du professionnalisme, elle a une longueur d'avance. Par rapport à, euh, par rapport à la presse privée, n'est-ce pas Du point de vue professionnel, hein, mm. si vous prenez le soleil, prenez un exemple sur le soleil. Bonjour le soleil Balenma, leen ma maa ngi fàtte sax Légui, waxtu waaw le soleil. Mm. j'ai ko rek comparé que yeneen journaux yi. tu vois D'abord, ñu en tout cas bill yu tey la fay gis duñu wax lu ñu xamul duñu sosal kenn mm. mais loolu c'est très important ça c'est l'éthique commence par là mais boo gisee éthique bi aussi manqué ailleurs c'est sans doute parce que formation bi ci boppam moo manqué parce que ñu ngi wax ay régulation ay déontologie xanaa kon dafay am ñaari façon journaliste non amul ñaari ak ñi nekk ci privé non non non non non non il y a deux façons il y a deux façons de journaux mais il y a qu'une façon de journaliste dans le privé aussi, vous avez des gens excellents. Hein. Je donne l'exemple du soleil pour m'en tenir à la presse euh, écrite. N'est-ce pas mm. Mais en même temps, j'en étais pas venu à la presse privée, mais en même temps, presse d'État, de ce point de vue-là, pour ce qui est de l'audiovisuel, mm. am limite presse privée beaucoup beaucoup de choses mais Djangal, vous aussi une liberté c'est que la presse d'État doit avoir une liberté éditoriale mm. beaucoup, ko permettre mais vous def li ngeen di mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. parce que c'est sous la tutelle de l'État euh, mais de façon générale de façon générale les journaux d'État mm-hmm. on peut utiliser le mot am retenu vraiment beaucoup presse privée à D'accord. dans les qualité mais du am concurrent waxuma la Sénégal sox mais ci Afrique. ci Afrique doyen ñu bëri tamit di yenn saa yi dañuy euh, faral di wax ni li nga xam ne mooy suivi d' information bi des na lu bëree bëri ci li nga xam ne mooy presse euh, sénégalaise bi. comme mm-hmm. tey jii dara bu xewee ñëpp dañuy tëb wax ci loolu mais buñ bu paree rek fàtte nañ ko après du ñu def li nga xam ne mooy suivi bi par rapport ak loolu noonu. investigation bi voilà investigation biñ ci war a def lépp. Mm-hmm. oui loolu c' est un grand problème je crois que ñaari mbir

parce que nous avons des fenêtres, etc. et cetera des talents. parce que le journalisme Hubert Beuve-Méry qui est une icône du journalisme mondial qui est du monde fondateur du monde et qui était autant avant la création du monde depuis l'entre-deux-guerres donc nous, avons une bonne école mais nous avons dañu formé parce que d'abord c'est un problème de culture et puis deuxièmement euh, nous avons aussi nous tey naturellement par l'éducation kooku mooy woon na rek formation bi waxuma seulement dina war na jaar ci école non non non non mën na jaar ci école comme mën na jaar directement ci rédaction donc c'est la première chose la deuxième chose mooy le sensationnel la course au scoop boo xam ça existe dans tous les pays du mm-hmm. monde n'est-ce pas ceci dit bu ñu tax a découragé parce que journaux yi ngeen gis même parmi ñoo xam ne ñoo gën euh, importance important ci d'accord par exemple en Grande-Bretagne mhm. en France aux États-Unis mhm. mais presque beaucoup gis qualité ak défaut États-Unis lu ñu fay def kenn ñaanul yàlla hein, moo egsi mhm. n'est-ce pas parce que ay perverti parfois pornographique des choses comme ça bon ensuite d'extrême gauche ou d'extrême droite des extrêmes n'est-ce pas donc loolu euh, ci aussi et puis xamuñu respect de la culture respecter nit ormal nit n'est-ce pas presse savez, xam am heureusement Vous fi mais am danger pour mu parce que d'accord li vous continuez course au scoop là, hmm. bon ça va être très difficile pour une raison toute simple Vous nga le marché est très réduit marché de la presse votre ndaw c'est-à-dire en réalité 14 millions de Sénégalais vous vous le chiffre brut déjà cinq quotidiens ëpp na fi. Mm. bo ci dindé nag ci seen biir bobu ño xamné ne ñu lire journaux. Mm. xam nga day gëna wacc d'accord donc nga am fi dix quotidiens 15 quotidiens. Mm. c'est pas raisonnable. pour que ñu dund. il faudrait parfois. ñu jéggi déontologie. très bien d'une façon ou d'une autre. c'est important. soit par la corruption. Uh-huh. c'est l'escroc. Uh-huh. soit par le chantage. c'est le mot moo fi le deng nga de chantage. d'accord. Lolo vraiment war na fi dañ. Nicolas avec votre permission. oui très rapidement s'il vous plaît oui 30 secondes. damay félicité waale seen groupe bi. parce que digitalisation. Mhm. de la presse yéen déjà dugg ngeen ci parce que yéen a ngi am application. donc Lolo, loolu loolu dama leen ci encouragé. le fait que loolu mooy waral may wax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Tata King Lo. waaw di Dixon Lo Ndiaga Ndiaye. waaw seen loo ak ak may baax waaw à travers. Euh, mobilité boobu nga wax léegi. voilà exactement et puis euh. même à l'étranger. d'accord même on est à l'étranger parce que dem sommes à l'étranger pendant un moment mais père mm. maa donne doon seetaan c'est une application bien sûr Nous euh, dama leen félicité parce que la presse tend à être digitalisée Vous bien. un ci jël ndaare waaw gisoo TNT bi bien sûr tout à fait on est numéro un en Afrique machallah Nous avons ànd ak M. tey qui est un spécialiste de la presse sénégalaise euh, maître assistant il enseigne l'histoire des médias professeur très bien nekk euh, il enseigne l'histoire des médias donc au ci centre bi nga centre d'études des sciences et techniques euh, de l'information muy CESTI foofu la euh, Mansour Sow mu mu donc ñu nekk di waxtaanee lépp li nga xamante rek jëm na histoire des médias quel paysage médiatique pour le Sénégal elle vient de nous rejoindre sur ce plateau Moudi borom waagu ñaay hein. borom waagu elle xel yi dem esthétique beauté et bien-être nga xamante ne li ko tax li nga rek dina di Euh, ci seen i ay yaram donc muy war a l'orange un bienfait pour la peau un outil esthétique tey dafa mel ni sa yaram dafa gën a tàng de vitamine C nga indi de ah. waaw Nicolas sama yaram dafa tàng jër. dafa tàng jër. waaw parce que dinañ ci xam ne dinañ ci xam lu lu gën a yaatu incha allah ci kanam tuuti. d'accord waaw sañ seeti nga nga def comme sa papa ak ak ak ak sa mag bu jigéen bee. Euh, muy may mun a ñaan gis naa ne xale ya xale yi de yaa ngi leen di soppi ah léegi dañuy dañuy. samay samay doom lañ. waaw waaw <laughs> te déedéet loolu amul liñuy def nak moy dañuy and ak euh, monsieur Elage, Maodo Diop mi nga xamantene dafa am cérémonie officielle de lancement de la euh, génération Sénégal émergent mo wara xew ce samedi 24 euh, février fofu nga xamantene moy Cabana Club ex tropique très rapidement mo bëggone nga wax ñu li li leen taxaju li nga xamantene mom mom ngeen def moy lancement de la génération Sénégal émergent luñ ci mëna a merci encore Nicolas génération Sénégal émergent. Mmh ay benn groupe de jeunes la mën naa ne ay cadres ñoo ko composé ci domaine bu nekk ñu ne comme le président Macky Sall dafa teg plan Sénégal émergent mhm. ne horizon 2035 mhm. ñun ñu ne comme nous sommes des jeunes ay cadres ci domaine bu nekk waruñu ci des ginnaaw d'abord dañuy créer benn cadre de concertation benn kuréel goo xamante ni dañ ciy taxaw saytu d'abord plan Sénégal émergent lan lay jariñ ndaw ñi mm-hmm. ëllëg donc ñu ne nañu nañu préparé wu nañu outillé wu mm-hmm. mais nan la ñuy outillé wu dañuy xool siblage xool cible jeunes yi nga xamante ni Sénégal ñor na leen ñu boole leen ci benn kuréel moo tax ñu tuddee ko génération Sénégal biñ ko taxawaleeg léegi léegi mu mat cinq mois cinq mois ñu commencé nag di ci def ay liggéey bu am solo mm-hmm. di di xool cibler jeunes yi. lan moo nekk gum seen pose première pierre instant bi. bon li ñu njëkk a def mooy dem nañ fële ci pépinière bu parcelle. Mhm. mëne woon nañ fa benn don ci pépinière bi maanaam ñu tuddee ko social. Mhm. mu nekk loo xamante ni comme ni ma la ko waxee sànq kuréel gi dañuy def politique mais sociopolitique. d'accord dañuy gëna a ci ci social. ci social. Mhm. très bien Légui nak euh, sen euh, ndaje bi le samedi 24 février 2018 fofu ca Kabana Club moi bëggoon nga jox ñu programme bi naka la nar a tëddee. bon suba dañu dañu woo ñi nga xamanteni dañu bokk si si si mouvement bi yépp. mais aussi ñu invité képp koo xamante ni li Macky Sall teg ñor na la muy plan Sénégal émergent moo tax ñu ne dañuy lancer mouvement bi comme dañ ciblé woon ay jeunes rek ñu ne comme ñu ngi ci doon liggéey aussi liggéey bu am solo jot na ñu lancer ko au niveau national. mais aussi au niveau international parce que ci biir couleur gi am na ñu ci bokk ñoo xamante ni ñu ngi ci diaspora bi. Hum. donc loolu moo waral suba ñu woo woote jeunes yëpp ñu tase ci Kabana club bu Padoa uh-huh. lancé ko officiellement uh-huh. ñu ciy invité aussi ñëpp uh-huh. li waral li doon programme bi suba aussi euh, le ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong moom moo ko war présider parce que dañ jàpp ne comme génération jeunesse la donc dañ ciblé le ministre de la jeunesse en tant que suñu ministre de tutelle mu ñëw présider événement bi waxtaan ak jeunes yi nan lañ war a toogee nan lañ war a outillé wu ba ëllëg bu fi président Macky Sall jógee bu defee ñaari mandat ba jóge fi ñun bu boobaa dañuy mën a positionné wu ndax kon yow tax nga ci marathon bi de ndax dugal nga deuxième mandat bi waaw dugal naa deuxième mandat parce que hmm. président Macky Sall hmm. dañ ko war a jox deuxième mandat li tax ñu war ko ko jox aussi dañ ci am luñ ci xam lu bëri parce que boo xoolee depuis bu mu toogee 2012 ba léegi hmm. dafa def liggéey bu am solo ak initiative yu am solo yoo on def na ci bi ñu à travers le PIDC. Très bien donc rendez-vous est pris demain pour ca Cabana Club à partir de quelle heure Bon, rendez-vous demain à partir de 15h au, Cabana Club de, de Inchallah. Inchallah. Euh, merci beaucoup, Elage Maudo Diop, euh, point focal éducation Nek Tchèques. Nous sommes les Boubarti, le lancement de la génération Sénégal émergent. Euh, ce sera demain, Inch'Allah, le Cabana euh, Club, Moui ex-tropique Nek Tchapadoa Builders. Euh, L'Igné Def Moui Andak coure beaucoup dans sa chronique esthétique, beauté et bien-être. C'est tout de suite. un bienfait pour la peau Le plus ci wax rek Mansour dina ci jëlee njëriñ. Nicolas gis nga de orange laa lay indil tay mhm. mi ngi mhm. Euh, orange nak bari na ay vertu yo xamantene mhm. c'est pour notre bien-être. mën nañ ko utiliser fep et surtout pour la beauté de notre peau. li ci gëna am solo nak Nicolas moy orange. boo ko utiliser doo bàyyi dara. peau bi am na njariñ. Euh, jus bi également am na njariñ orange moom ñëpp xam nañ ni vitamine C la. Mhm. te nit bu koy consommer dina ko jox cawarte orange nag bari na ay astuces yu si nekk Nicolas. Mhm. mais euh, dama leen di proposer benn vidéo ñu dem seetaan ko retour sur le plateau. très bien. voilà léegi pour euh, préparer masque bi nga xamante ne day dindi euh, point noir soxla naa orange ak euh, huile d'amande douce légui damay jël orange bi râpé ko su ko râpé ba euh jël ben cuillère huile d'amande douce mélanger ko appliquer ko ci sama kanamu ko bay gis ngeen ne râpé naa sama sama peau d'orange ba pare léegi dama koy jël euh, def ko ci euh, saladier bi def ci benn cuillère benn cuillère à soupe d'huile de menthe douce mélanger ko après sama masque J'ai raxas na kanam euh, masque bi pendant 20 minutes léegi mu euh, raxas ko mi ngi nii gis ngeen euh, kanam gi leer na liis na aussi parce que dafa amaale huile d'amande douce ba pare buy faral di def masque bi ci kanamam dina dem point noir dootu ko amati lépp lu nekkoon ci kanamam carrément. ah yow yow nga def nii sama ji. gis nga point noir ci kanamam yépp laa jóg pour euh, pour dindil ko ko te Nicolas impureté yeeg yooyu mm. noonu te Nicolas astuce bi ngeen gis sànq ma appliqué ko ci kanamu euh, Awa Badji mm-hmm. boo koy faral di def lépp loo xamante ne point noir la sa kanam da ko dindi te point noir li koy gën a indi nag bokk na ci nga am picc ba pare nga nga toj ko nga nga dagg ko maanaam mm-hmm. bu bu wéree da ngay gis ni sa kanam dafay am benn tache noire te tache noire yi surtout da nga koy gis muy fréquent ci ñi nga xamante ne dañuy xeesal mm-hmm. Mhm. parce que bu ñuy euh, changer diw aussi dinañ dem ba jël diw boo xamante ne du adopté wu ak seen peau. Mhm. Euh, de ce fait dañuy dem ba am ay bouton bouton yooyu nag bu dañee ñu commencé di am ay point noir d'accord motax ma euh, mais préparation temps de préparation bi du yag du parce que da ngay jël orange bi ko comme ni ko gissé vidéo bi hmm. ngeen def ci cuillère à soupe d'huile d'amande douce après nga hmm. ko pendant 20 minutes bo pareil, nga avec de l'eau tiède bo di nga sa kanam gi c'est conseillé combien de fois dans une semaine ou dans un mois hein? ah, pas ah, <laughs> soda soda ah, si ñu ko yóbbu Sodaaf fa laa jëm fa la jëm su may wàcc di jubali foofu. non la dama lay wax moom moo lay yóbbu sax. voilà voilà moo lay yóbbu. Euh, mais mais mais mais conseil combien de fois dans une semaine ou dans un mois. Euh, Nicolas li y a. Mansour mi ko chaque jour Waouh, waouh, waouh. mais nak, je suis en ñu euh, deux fois par semaine bu boo demee ba ñàkk jot na faire une fois par semaine. Les poupous, def sa bi rek mu leer dimanche. Hein, pour que nga am ah. hein, jeudi. ah, ah waaw wala wala mercredi dimanche ak mercredi parce que mercredi ci nga am combat bu mag bi. ah question de l'heure. mais ah, Nicolas nga bi moom rek lay seetaan waaw. non Mansour sax dama koy jox astuce bu gën a baax ci moom. Ah, pour góor li nga xamante waaw. pores yi nga xamante day dilaté mm-hmm. parce que gis nañ kanam peau grasse bi bu baaxee accès de sebum bi maanaam nin nin bi ne sa kanam bu baaxee dafay tijji sa pores yi. dafay ubbeeku pour lu gën a simple mën naa leen jox astuce bi da ngeen di jël orange bi. Mm-hmm. pressé mm-hmm. curcuma curcuma moom foo dem mhm. mhm. espace yëpp ko fay jaay mhm. nga def ko comme genre masque def ko sa pendant euh, deux ou trois minutes après nga rincé di nga nice comme tout temps dañuy raser seen te damay seetlu ci góor ñi dañuy am ay yu dilaté wu léegi buñ koy faral di def dina dem ba am yu dilaté wu dina très bien nice kon secret di waaw Nicolas lépp ah, rek pour mën a da nga cee taqal sax euh, muy mun a ñaan ah, <laughs> moom tamit. sama mag ji waaw ah, waaw waaw. taay moom taay moom lënd mutul moom lënd mutul. dama ko si fekk si ba pare. ah lënd ba kooku sax. kuk kay kuk dama ko dama ko muy toppatoo boppam mais après dama ko dolli ay astuces. d' accord da nga ko dolli mhm. yokk ñu ne ay astuces yu baax. naa ne ancien ministre ah, euh, ah monsieur Daw directeur général de naa ne euh, jël ngeen astuces yi. jël nañ ko ah, bu dinañ leen ko mën a appliquer. ak salon yi salon de coiffure xam nga ni ay picc nga wax. Ah. Mhm. ay pitax la ay pitax waaw d' accord. pitax de gisuma ko fii bu nekkee da nga <laughs> <laughs> benn astuce rek pare ci mm. da ngay jël euh, jus d'orange da ngay jël orange bi râpé peau bi def si ben cuillère à soupe de miel mm. euh, nga mélangé ko appliquer ko sa kanam euh, nga bay ko ci pendant quelques minutes mm. dina dem ba impureté yi nek sa kanam bi da fay deñ ba pare sa kanam dootul day am éclat dootul amati ben tache Go mën nako def jigen tamit mën nako def également mm-hmm. te Nicolas li gëna am solo damay dugg ci côté centre tout rek gaadu sama yëf mais baxna ci ballonnement baax na tamit ci cancer yu bari muy cancer de la bouche bouche de l'estomac yeneen ak yeneen yu baax yi ngay euh, li nga xamante ne mooy orange dina la dimbali mu fànkal la feebar yu bari parce que macha allah yàlla def na lépp ci fruit yi aussi mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Nicolas tamit orange am na njaxiñ boo xamante ne day nourrir sa peau ba pare da koy tonifier. très bien c'est-à-dire euh, doo am peau sèche ba pare do sa peau du déshydraté d'accord euh, très bien merci beaucoup Koudre euh, Bokoum dans sa chronique esthétique beauté et bien-être gis ngeen tey li nga xamante ne moom leen indil muy maanaam njëriñu orange les bienfaits yi mu leen di defal ci seen i der mu di maanaam pour la peau un outil esthétique et puis éventuellement même wax na sax wàllum santé muy lépp li nga xamante ne rek wàllum ballonnement la boo nekkee da ngeen koy tàmm di am bool di naan ay orange. Euh, dina len dimbali bu baax baax donc elle vous donne rendez-vous vendredi euh, prochain euh, ci benen numéro ah muy gëna xum di gëna a dagan waaw Nicolas vendredi prochain indi yi benen feem beneen façon waaw Eh. orange yi Casamance la jógee. Ah. <laughs> orange <laughs> bi rek wala yeneen yëpp yeneen yëpp waaw. Ah, lépp luy orange daal lépp luy orange waaw. dama gis bi mu neex ma trop couleur bi. waaw léegi Mansour bi xooli orange bi nag man man man tamit lii tamit ah lii tamit yéem na ma waaye baax na gis nga xooli na orange bi nga àddina ñu wala waaw xooli. <laughs> très bien ñu ànd ak euh, suñu doomu ndey MC Eagle mi nga xamante ne euh, Sacré Cœur la bàyyeekoo waaye di doomu Bambilor euh, ñu wax waxu vidéo bi nga xamante ne mooy vidéo bu bees bi nga xamante ne moom nga génnee muy àdduna nga dippe ko àddina wax ci lu bëri ci li nga xamante ne ay ay fait de société la donc aujourd'hui lan lañ mën a xaar euh, ci perspective parce que boobu tey euh, internet yi ñu ngi naan ma mais moom album bi kañ la ba pare moom xanaa li muy joué du bëri non mais <laughs> je pense que peut-être pour sànni xeer genre affaire yu demee non mais képp ku may suivre xam na tout le temps d'ailleurs euh, ñi nga xam ne dañuy faral di dem ci yenn milieu mm. parce que déjà maa ngi liggéey comme ko waxee ak grand frère mm. donc ñuy def ay des fois ñuy def five tu vois blue saxo dañuy def fu nekk jës fi xam donc maa ngi. rendez-vous bi a la. studio tu vois donc rendez-vous bi bon pour le moment am euh, discussion bu ma amone ak ñu nekk Thiès mu nekk lu taxaw ni war donc ma leen di nuyu de passage donc ngi nekk ñu ngi di wax parce que donc gis nañ lu may intéressé intéressé na leen quoi. Mhm. voilà donc lu ma bëgg rek mooy juste gën a wax ci vidéo bi. Mhm. parce que moom la ñuy jeexalee ah, moom la ñuy tëjee émission ok c'est-à-dire message yi dafa intéressant tellement ba nga xam ne vraiment j'invite à tous les sénégalais quoi que ñu dem ñu seetaan vidéo bi. d'accord tu vois ñu partager def maximum de partage parce que dafa nekk loo xam ne vraiment. Euh, euh, c'est-à-dire cri du cœur le quoi sama xol laa ko génnee. parce que actualité day dellu ci ay xol rek. c'est ça lu ñuy dund la lu actuel vraiment mu nekk loo xam ne bëgg naa ñëpp déglu ko. très bien donc euh, ñu nga xam aussi bëgg nañ gën a am aperçu ci suma liggéey mën nañ dem euh, YouTube ñu def eagle espace MC mën nañ gis sama ay affaire yu ma def. donc mën nañ dem aussi ci Facebook bi ñu def eagle MC officiel. très ok comme tu veux mën nañ dem seetaan vidéo bi ñëw très bien dinañ ko seetaan moom la ñuy jeexalee incha allah euh, li nga xamante ne mooy toi même tu sais li ñuy def mooy bàyyi euh, monsieur Mamadou Habib Ndaw secrétaire exécutif observatoire de la qualité des services financiers ñu doon waxtaanee ñaari ponk mu jëm ci atteinte aux droits humains Amnesty, accable le pouvoir ak li nga xamante ne mooy corruption en Afrique le Sénégal euh, toujours dans la zone rouge jot nañ ko fi waxtaanee et je pense que lépp li ci njëriñ rek sénégalais dañ ko ci jël dañ lay bàyyi nga def un message à l'endroit des sénégalais mm. yi nga xamante ne ñu ngi saan un peu partout à travers le monde d'abord je vous remercie merci pour cette invitation. Merci. C'est un plateau de classe, mm. c'est un groupe qui a des initiatives et qui est très jeune, euh, déterminé, passionné. Merci. c'est très important. Amadou inspiré tout à fait. Mm-hmm. parce que journaliste de guerre mm-hmm. <laughs> voilà mm-hmm. digitalisation je ma félicité. d'accord parce que loolu euh, progrès je félicite félicité dame def euh, expliquer Mm. waaw parce que jeune, yi ku ne da ngay jël am initiative rek. le meilleur moyen de chercher un emploi. c'est de le créer. de le créer waaw di leen gërëm di leen sant di gërëm. seen euh, président. Sidi Diagne Sidi Diagne oui waaw waaw. Mm. suñu xarit non et soutien bi ngeen ko soutenir. Mm même en des moments difficiles. parce que puis quand santuru fi ne. waaw waaw ah, ah, ah. tàng na wala ñor na magie télé la rek. waaw liggéey on est encore jeune dara jarul yàkkamti dañu ne la patience est un chemin d'or donc ñun ci loolu la ñu tënku. dëgg euh, liggéey rek. voilà le reste le meilleur reste à venir. waaw te presse bi bañ di wax ne euh, le le le Amnesty International euh, non le forum. Forum civil épingle le Sénégal. D'accord. Huitième place, 54. Merci. Vraiment, Loulou. Wow, c'est à saluer. Wow. Absolument, tout à voilà. fait. Très bien. Merci beaucoup. Santé, nañ la gërëm nañ la bu baax ñu bàyyi euh, suñu doyen monsieur Diégane Sène journaliste professeur histoire des médias Nous euh, nekkoon doon waxtaanee lépp li nga xamante rek soxal na histoire des médias quel paysage médiatique euh, mm-hmm. pour le Sénégal mais mun a remercier na staff bi Santé, sant nañ la gërëm nañ la ci disponibilité bi ñu bàyyi la nga là. ak ñi nga nous ne ñoom ñi seetaan. waaw vraiment maa ngi de gërëm merci. di jégalu encore une fois. parce que dama ñeu tardé. deuxièmement yàgg ngeen ma di xaar fi depuis le mois de décembre. mais expliquer na Maïmouna vraiment sama gàllankoor. d'accord ce moment. Mm. alors euh, pour journaux yi li ñuy wax ak la presse de façon générale. Mm-hmm. en fait moom c'est la même chose en fait xam nga Sénégal. Euh, mon frère Ndaw wax nako légui mm. euh ci affaire corruption bi. d'abord il faut qu'on s'en félicite. Il a raison, hein? parce que 866, c'est parmi les premiers. D'accord. Voilà. boo ci dindi Won, voilà boo ci dindi Won, c'est ça boo ci dindi Won, suñu Djiko, bu wax te imam delusi mais mais est premier. Mm. mais suñu Djiko yi nag. d' accord ah, très sur ces du gouvernement. pour pour maintenant pour pour la presse. très bien jeex na MC. Il y' a une réalité pour la presse foofu la daane. s'il vous plaît la la presse c'est à l'image du pays Il nga fait inflation le partout. merci wax na lu fi am ay économie Sénégal à ko. donc il faut une set, nan ngeen défait, regroupement merci ça c'est très important. merci Il y a un journaliste aussi c'est vrai ngeen def nan ngeen set, pour mieux réguler ce métier d'accord la meilleure régulation c'est vrai c'est la formation mais vous êtes tous bien formés très bien à l'école wala à la rédaction comme nous l'avons dit merci beaucoup. voilà jërëjëf ñu ngi leen di les ngi lay les ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di sant képp koo xamante ne mu ngi ak ñun la magie de toutes les télévisions sénégalaises et remerciements à tous les Sénégalais de l'extérieur de la diaspora qui nous suivent un peu partout à travers le monde c'était toi-même tu sais on vous donne rendez-vous euh, lundi euh, prochain inchallah d'ici là portez-vous bien et restez toujours avec nos programmes un excellent week-end ah, dañuy ànd ak Ousmane Cissé ci xibaaru bi ñu MC Eagle ci vidéo bu mucc ayib bi Moy mooy àdduna c'est parti ñaaw teef yee bari ba mënatuloo xàmmee kan mooy jullit si diggante suuf ak asamaan fi la lépp di xewee jamono bari xeer tax doomu aadama yi di fakkastalu topp seen bakkan fu mu leen diri ñu ne ko fala xaalis la ñuy jaamu bu lewul bi la ñu gën taamu bu ñu lekkul alalu drog reyuñu nit doonuñu franc-maçon rek foog ne duñu gaañu si toolu seytaane la ñuy si teenam la ñuy foofee la ñuy naanee fa la sax mandee moo tax ñu gëlëm ndoxu dërëm lañ leen sëlëm lañ leen sëlëm addunaay waaj a tukki wala boog dañu nekk ci guddi gu bët dul mës a set deret ji di tuuru dëkkee wal kañ lay jeex sama xol bi di tàng dëkkee metti